Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, Rekia Arimi et Samira Rouafi. Alors, Rekia, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Samira, et toi Oui, ça va, super, merci. Alors, quoi de quoi allons-nous parler aujourd'hui Rekia, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le Flash Info et comme invité, nous recevons M. Adam Mujibo dit Ousmane al Avec lui, euh, nous allons parler euh, de cette flûte traditionnelle qui nous vient euh, du Bormont et de sa profession. Dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Tilaberi. Il y aura également la rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. chers auditeurs, l'édition est assurée par Adama Dawaki et à la technique, nous avons Seni Isaka. Mais débutons cette émission avec le Flash Info qui nous est présenté par Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Samira, bonjour Rakia. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zen, était hier au Tchad pour une mission de travail. Le renforcement de la fraternité et des relations de bon voisinage entre les deux pays sont entre autres objectif de cette visite du Premier ministre Ali Mohamed Laminzen. La situation qui provoque actuellement au Niger était également au cœur des échanges avec le chef de l'État tchadien Mohamed Idriss Déby Itno. 17 militaires tués, 20 autres blessés suite à une embuscade tendue hier par des hommes armés non identifiés sur un détachement des forces armées nigériennes dans le département de Toro, dirigeant de Tilaberi. Selon le ministère de la Défense nationale, la réplique des forces de défense a permis de neutraliser plusieurs assaillants, soit une centaine de terroristes et plus d'une cinquantaine de motos détruites. Enfin, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant malien Assimi Goïta ont discuté mardi 15 août de la situation au Niger, a annoncé le Kremlin et repris par l'agence nigérienne de presse. Ils ont prôné un règlement pacifique au Niger après le coup d'État. Au cours de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à l'initiative malienne, Poutine et Goïta ont souligné l'importance de régler la situation du Niger uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa. et comme annoncé en début d'émission, nous recevrons comme invité M. Adamou Jubo dit Ousmane al Comme son nom l'indique, il joue de cette flûte traditionnelle appelée al Avec lui, nous allons parler de cet, instrument et son métier. Exactement, mais avant d'écouter la première partie de cet entretien avec lui, Rekia, écoutons d'abord ensemble le titre Dunia de l'artiste Fatima Rico. Fata Gandigi Mariko, plus connue sous le nom de Fatih Mariko, est une chanteuse nigérienne. Fati a commencé ses études à Niamey, à Bougou, à Bougouni et a développé ses compétences en dactylographie avant de devenir musicienne. Fatima Mariko est née en septembre 1963 à Niamey. Elle attrape le virus de la musique dès son plus jeune âge. Samira, c'est en 1986 qu'elle débute sa carrière au sein des Marhaba, dont le guitariste était l'un de ses oncles. Elle travailla avec plein d'artistes nationaux et internationaux. Elle est l'une des plus belles voix du Niger. C'est là le morceau d'unia de l'artiste Fatima Rico. J'espère que vous avez kiffé, chers auditeurs. C'est le moment pour nous d'écouter la première partie de notre entretien du jour. Dans cette partie, il nous parle de la fabrication de cette flûte d'origine euh, de Bormont qui est digne d'en jouer et à qui doit-on la jouer On écoute sa réponse au micro de Asuman Aboubakar. Ni sunana Adamu Zubo, Usman Algaita kuma yanzu aiki na dai Algaita. Ita wannan abin da nake gani hannu. Menene mahimmancin ta? Menene asalinta kuma menene ita? Ita Algaita dai asalinta daga laraba ta fito ta shigo borno daga borno ta shigo kasashen afirka da kai hatta kawo ya gare mu Ka isilinta algaita uwayenmu sun koya mana kuma ta zo gare mu gashi na ita wannan algaita wane ne ya kamata a ce ta shiga hannun shi kamar wace da incin ya wasa to ita dai wannan algata wanda ya kamata ta shiga hannun shi sai wanda aka koya ma dan wanda ba a koya ma algata ba ko ta shiga hannun shi ba ya ta ba kamar kayan kada kada ba ne haka na su ganga su wani abu wani yana iya doka ya je ya rikowa ya buga algata ba haka nan take ba algata an ga mutum yana yin ta to tabbata an koya mishi ta amma in ba a koya mishi ta ba algata ba ta ɗauka gare shi ba yiwuwa mai yi ta to ita gadon ta ake koko yana iya tashi yau kawai in ce zani wasa da eh muhimman dai ya zama na dai ka gaje ta kuma ko baka gaje algaita ba in dai ka tsaya an koya maka ita kana iya kai ta amma fa sai an koya maka eh ko baka gaje ta ba ita sai an mata biyayya kamar in baka yi biyayya ba ba za ka iya ta ba amma in ka yi biyayya ga bisa wanda zai koya maka ita amma kuma ita ma kuma ha cijawa ce ta Allah algaita dan sai a sa mutane ba ɗaya ba ba biyu ba da ket a samu guda wanda za a wuce ya yi ta. Ita algaita dawa dawa ake buga ma ita. To algaita dai ta wanda ya kamata da ta a buga mashi sarki. Dan kaga in ina yin algaita in na ga sarki to gaskiya za ka ji dubba da tunanin wata algaita wani wuri in ba an busa ma sarki wannan algaita ba. Kuma ba ni shakka komi in na gani yana zamani ina mashi algaida daga sarki dan sarki kuma sai mai bukata mai bukata ta shine kamar ya wanda zai bada kuɗi ko kudai wanda kawai ya kamata a buga mishi ba wanda zai bada kuɗi ba kamar ni yanzu zamana nan wurin ga ko mun kuɗin ka in baka bukace ni ba ba ni zuwa maka algaita in ka bukace ni a wurin aure ko a wurin suna kace in zo maka algaita ko baka da kuɗi ko baka da kuɗi ba sai mai arziki ba sai in je maka algaita kuma ga abzanawa haka majinakin mu yake su sun san yadda algaita take sun san ta sun san yadda take ciki ina zuwa su wannan ina musu algaita in ma ba su kire ne ba da yake abzanawa ne tasu ce in na ganin su ina musu kuma suna maraba da na wurin su in musu algaita to ita wagga algaita dami dami ake yin ta wagga algaita wanga na ciki ice ne kuma makera su suke yin shi kuma aka ida ta ana rufe ta da fata ta sa sa shi ma gawurtaccen sa wanda yake babba za a samu a hudu wutse shi a da sahen shi sai a jika sahen in ya jika sai a sa a kara mata karshe wannan fudodi mu ne muke sai mun auna kaga fuda fudi ce da na auna haka sai in yi fudana wanga kuma ɗaya biyu uku su kuma sai in yi sa haka nan dai aka gwada mana to wannan in aka yi su algaita ta yi wanga kuma shine kwarkwaro da ake cewa kwarkwaro na algaita wannan kwarkwaron algaita shi kuma makera suke shi makera ga sunan artizana akwai wani su ma ba duka ba sai guda guda muna kai shi wurin na falonko murga na falanko Allah ji kansa bayan shi diyan shi su suke kuma amma yanzu kuma akwai wani yaro wanda ke artizana nan shi ke mana kwarkwaro wanga hakkin da ka gane shi wannan Ko mu iya algaitar mutum in ba da wanga ba abun bayi shi kuma ana samun shi kasar bande zuwa kasashen na zandar da su bande su gidmuni nan ne ake samun wannan abin ga kashe ne ne a kiciya na ruwa cikin ruwa ake hudo shi in aka hudo shi cikin ruwa a lokacin nan sai mu kawo shi a sa cikin tukunya a samu nama wanda yake da mai na karamar busa mai mai sai a sa shi a dafa shi a dafa shi a dafa shi in aka dafa shi da sai ana yayyanke su kadan kadan a daidaita su yadda ake musu to wanga wanga abin da kace gani shi na alga she me ake ci mishi to lokacin in ka zo muka sa shi muka tsarma shi in mun jika shi da abin ga haka to zai busu. wannan kwarkwaron da shi ne za a fara koya algata sai an sa shi cikin ruwa ana jan lumhashi sai ka ja lumhashi ta hancinka ka sa shi cikin bakinka ka turo shi cikin wanga abu ya fita cikin kwarkwaron ga haka na haka na kana yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ya bar cirewa Avant de poursuivre cet entretien, Samira souffle en musique cette fois-ci avec le titre Dan Adam, un feat entre Hadiza Mongo et le groupe Kaidangaskia. فهلون فنمنالي عديزة والباي كان بوكشان حموا سينمي أجزاء elle est épouse et maman de son vrai nom, Hadiz Abdoulaye Tawaye. L'artiste chanteuse nigérienne est communément connue sous le nom de Hadiz Mongo. C'est en 1997 que Hadiz commence sa carrière musicale en tant que choriste dans le groupe Tandis du chanteur Abdussalam. Déterminée à faire de sa voix celle du changement, elle aborde des questions comme l'amour, le civisme, la cohésion sociale et la paix. Son troisième album, dénommé Nkassa ou le peuple, confirme cet engagement. Comme tout jeune artiste au Niger, Hadiza Mongo a fait face aux défis socio-culturels et financiers qui lui imposent son statut d'artiste. D'ailleurs, Hadiza n'a jamais pu enregistrer son quatrième album à raison de ses défis financiers. Les trois autres albums qu'elle a sortis ont été possibles grâce à son producteur Maître Bat. en espérant que ce morceau vous a plu de temps Adam ma chère auditeur. C'est le moment d'écouter la deuxième partie de notre entretien du jour avec Adam Moujibo. Dans cette partie, il nous parle de tous les voyages internationaux qu'il a eu à faire grâce à l'algaïta et il nous parle également des difficultés qu'il rencontre en jouant de cet instrument, sinon le doute d'avoir encore une relève. C'est toujours au micro d'Asuman Aboubakar. <laughs> tare da wagga algaita ta fanin farko da aka kwama ita na je nigeria da shi na je libi na je alger na je france na je belgium duk da wagga algaita na ha allah sa dai yanzu ma dai gani ina yi dai kuma nan a yi ga bisa ga dai algaita dai bisa a yi ga babu inda ba mu je ba tare da sultan da layir wanga wanda yake bisa umaru babu garin da ba mu je ba kuma a cikin daji inda aka yi bukukuwa duka cikin abzina wanga suna aiko mini in tafi wurin bukukuwan su amma sha'anin algaita a kowuya da menene matsalolin menene wahala ciki akwai matsaloli da yawa bisa algaita saboda algaita ita tana son yaro wanda zai shiga ta to shige ta a lokacin nan ba dan ya samu wani abu ba Dan kakin ya ce ya huta zai samu wani abu sai ya sha wuya dan a lokacin nan da nake algaita ina tuni lokacin da tsoho na sa ina algaita tun da sahi in na kama algaita sai sallah azhar sallah azhar karfe bi ta yi lokacin nan tsoho na ce mini bari ka tashi ka je ka yi sallah azhar ka komo in na tashi na je na sallah azhar na komo kuma in ci gaba sai sallah la'asar lokacin sallah la'asar in bari kuma in tayi sallar la'asar in kama kuma sai rana faduwa a sati kwana uku kwana hudu Allah ji kan turawa Abubakar da ɗan galadima malam basha duk a lokacin nan suna ziyarta ta suna bani magana ka yi kokari yi kokari in wannan ya da kwana uku wannan kuma sai ya da kwana uku har lokacin da na samu na iya algaita yanzu cikin wannan aiki akwai an shirya wasu yanzu a wanga lokaci ka ga matsala inda take yanzu yaro yanzu na zamanin ga da ka mushi magana cewa zo ka rike abu kaza sai ka gani ya ce a shi fa ba zai iya wannan abun ba to yanzu wannan abun shine dai matsalar inda take kuma matsalar inda take gaskiya ba daga yaran ba shi yaro an kana son ka ciyo kan shi kariya ya girma kwarai yana dan yaron shi karami haka samarin shi haka dai bai isa ba kamar shekara goma goma sha fudu haka kana iya ka ciyo kan shi ya maka amma in ya zama yaro ya kai shekara ashirin ko shekara ashirin ba wani da kowai kamar zuwa laihi dai yana ga alamun ba daga gare mu bane ba sai ta ɗauro ga manyan ne masu son abin kamar yanzu Allah ji kan sarki Ibrahim shi ya ce mu uwayen yanzu ga abin da kuke ku tafi ku samu iyan ku kusa su in yanzu ku ne wata rana ba ku bane tana yiwa iyan nana ku su shiga wurin ku sarki wanga shi yana bakin kokarin shi Allah shi bashi nasara yana yi amma kamar wannan lokacin na da da suke son abin sosai da sosai ba ɗaya bane da yanzu mu uku aka samu lokacin nan da ni da ɗiyan abokin babana su kaɗi duk lokaci guda aka samu su suna kaɗi ni ina algaita kuma haka sarki ibrahim ya ce a kawo mu sai da aka kai mu gidan shi muka zamana ya ba mu magana ya sa mana albarka ya ce ku tahi saboda wata nan ku hutar da uwayenmu to yanzu cikin sarauta ga ina ne matsayi ni yanzu cikin sarauta ga ta agadas ne sarkin busa na sultan jalal kaji matsayi na ubana kuma shine kanan ubana dan ni ubana wanda haife ni bai algaita ba amma kanan ubana alhaji usman algaita shi ya algaita shi kuma shi ne sarkin busa na sultan da layi shi ma wancan wanda ya koya mushi algaita shi kuma wan oshi ne shi ma wancan kin uban shi bai ba oshi ba ta yi ba dalili dai akwai wani wuri inda ta shigo har ta kai ga yanzu wurin mu shi ma dai shi ne dai sarkin busa na sultan da layi tun lokacin sarki ibrahim uban umar tun lokacin kiwon ga aiki na ana ita akwai alheri cikin shi gaskiya akwai alheri saboda ni a yau matsayina dai gaskiya ba na ce maka ina da talauci in na ce maka ina da talauci wallahi ban gode ma Allah ba kuma ban gode ma masarautar garin kuma ban gode ma jama'ar da suke cikin ayar kinga saboda mi yanzu duk inda na isko mutum biyar da wagga algaita in na busa masa algata wagga ba zan fita haka nan ba ni dai alhamdulillah na gode ma Allah muna da wani jawabi ko wani kira da ke gare ku ni dai kira na na farko Allah ka mana kwanciyar hankali cikin kasashen mu ubangiji Allah ya rika ma dukkan masaurata ta cikin Nijar wadda take cikin Nijar ubangiji Allah sa su ɗauki hankulin rike gadon su kuma su rike makaɗansu na gargajiya waɗanda suka gada saboda in ba dan ana gado ba su kansu sarakin ba za su gadon uwansu ba abin da ya kamata yau zamani ya zo sai ka ga makaɗin gargajiya jiya ba a maida shi wani abu ba so da yawa sana mana kukan wannan an ɗauki kamar zamani ana son a sashi fiye da makaɗan gargajiya sai ka gani wani taro an yi shi ma makaɗan gargajiya sai zo ya zama ba amma kula da shi ba kuma su sarakuna sun isko uwayen da uwayen waɗannan makaɗan na gargajiya tattare ake har yau har gobe kamar yanzu wanga sarki Allah ya rika mashi Allah za zama da shi shi bai wasa ba da gargajiyar shi bai wasa da makaɗan shi na gargajiya duk motsin da ake yana tare da makaɗan shi na gargajiya ba daga gidan sarauta daga ko ina ya kamata mu rike gargajiyar mu Nijar abin da muka gada tun kankani da uwaye in dai na alheri ne abin mu rike shi mai rabon ya koya mu ya koya mu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est le moment pour nous, Samira, d'attaquer notre rubrique hebdo qui parle de l'environnement. Exactement, euh, Rekia. Aujourd'hui, euh, nous allons euh, parler de l'importance de la biodiversité dans le domaine de la santé. Selon et les spécialistes de l'environnement, la diversité biologique joue un rôle essentiel dans la santé aussi bien dans la médecine traditionnelle que moderne. Seulement, ou l'épuisement continu de cette diversité des espèces pourrait affecter la santé humaine, d'où l'intérêt de protéger nos écosystèmes et les espèces qui y vivent. Bokar Atari, environnementaliste, explique au d'Asman China. Au point de vue médecine traditionnelle, quand vous prenez les médicaments, ils sont constitués des parties de feuilles d'arbres, des racines d'arbres, des troncs d'arbres, des mélanges parfois de plusieurs deux ou trois euh, espèces. Pour certaines maladies, on mélange à peu près plusieurs parties de au moins cinq espèces, et même plus d'ailleurs. Si on, on, dit pour traiter une maladie, il faut trois ou quatre espèces, ça veut dire que là aussi, il est évident qu'il faut avoir toutes les variétés de plantes. Et chaque plante à la maladie qu'elle guérit, ou bien une combinaison de plantes à la maladie qu'elle guérit aussi. Donc ça veut dire qu'on voit la diversité des espaces influence les traitements que nous faisons au point de vue traditionnel. Ce n'est pas seulement les plantes, hein. il y a aussi les parties d'animaux qui sont utilisées. Si on prend par exemple le venin des serpents, si vous prenez par exemple euh, dans la zone nord, les éleveurs là, si ce n'est pas récemment qu'on les a amenés à faire les vaccinations, mais ils traitent leurs animaux de manière traditionnelle et ça marche. Et tout ça là, c'est des espèces qu'ils utilisent, que ce soit des espèces animales, des espèces végétales, etc. Et d'ailleurs, pour certaines euh, morsures de serpent, il y a certaines plantes qu'on s'est dit que tu prends, le venin là, il disparaît. Ou même le venin est utilisé pour traiter certaines maladies. Il n'y a aucune espèce qui est inutile. Tout est utile. Peut-être on ne sait pas l'utilité de ces espèces. La diversité biologique joue-t-elle un rôle dans la médecine moderne Quand vous partez dans les pharmacies, vous prenez n'importe quel médicament. C'est des recherches qui ont abouti à ces médicaments. Et si vous allez à la racine, à la base, c'est peut-être des parties d'animaux, des feuilles de telle espèce qui ont été travaillées pour faire des comprimés, pour faire des gélules, etc. Donc que ce soit la santé au niveau des médecines traditionnelles ou bien au niveau de la médecine moderne, c'est toujours nos plantes, nos animaux, nos micro-organismes qui sont utilisés. Quel doit être le comportement de l'homme vis-à-vis de cette diversité d'espèces menacées de disparition Imaginez si la vitesse de disparition de diversité des espèces est multipliée par X, supérieure à, ne sais pas, 100 ou 1000. Donc, à un certain moment, ça fait que nous allons avoir des difficultés même pour nous soigner, que ce soit au niveau de la médecine traditionnelle ou au niveau des pharmacies. Donc, nous avons intérêt à garder ces espèces pour que vraiment au point de vue médicinal, au moins pour la population qui pour le moment n'a même pas les moyens d'aller dans les pharmacies, en tout cas de se procurer de ces médicaments. Samira, prenons encore une petite pause musicale avec le titre Mazan Africa de Safiat. Kabila, Patrice Lumumba, Bazani Manche. Muammar Gaddafi, Yahya Imun Inashi Nelson Mandela, de Sekou Touré. Kwame Nkrumah, su ne mazan Africa, Sun yi duk ƙoƙarin su Africa, su taimaki Afirka. Sun ba da yawan shekaru ba su samu mance ba su samu mance dukun shekaru sai mutuna da wane mazajen afirka zama da wuya sai mun yi hankuri ko mu nemi magani wahala da wuya ko mun yi hankuri sai mu nemi magani zama da wuya sai mun yi hankuri ko mu nemi magani wahala da wuya ko mun yi hankuri sai mu nemi magani bauta mai sama Allah don mu gina Afrika aha girma ma kasa Afrika don ta samu ta bunkasa ba za manta yawan shekaru ba su samu mance ba su samu mance dubu shekaru sai mun tuna da wane masashen afirka zama da wuya sai mun yi hakuri ko mun nemi magani wahala da wuya ko mun yi hakuri sai mun nemi magani zama da wuya sai mun yi Née à Khartoum d'un père nigérien et une mère soudanaise, Safia, de son vrai nom Safia Aminami, est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle se lance dans le monde musical lors de ses études au Maroc dans la ville de Rabat où elle intègre un groupe de Rabat et se met à l'apprentissage de la guitare. Au retour au pays, elle intègre le groupe Kaidangaskia. Tout à fait, Safia met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour et de tolérance. Ses chansons sont en français, Hausa, Zarma et en tamashek. En 2007, elle intègre le groupe des artistes unis pour le rap africain Aura, faisant la promotion des droits des enfants partout en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques années, Sophie est en solo, mais les feats à succès avec les artistes locaux et d'ailleurs continuent. Comme mu nemi magani wahala da wuya hauri sai mu nemi magani à présent, place à l'écho des régions. Oui, Rekia, les échos des régions de ce mercredi 16 août 2023 nous amènent au cœur de la région de Tilaberi, bordée par les eaux du fleuve Niger. C'est ici que réside une communauté d'artisans de l'eau au savoir-faire millénaire, j'ai nommé les piroguiers. Qu'est-ce que c'est que les métiers des piroguiers et quel rôle joue-t-il Réponse dans ce reportage réalisé par Boubacar Oumarou. Au lever du soleil, les piroguiers s'activent le long des berges du fleuve, préparent médiculeusement leurs pirogues pour les voyages qui les amènent vers de lointains horizons. Leur travail ne se limite pas au transport des personnes et des marchandises. Il est au corps même de la vie quotidienne des populations riveraines. Ils sont les acteurs incontournables du commerce fluvial, permettant les échanges commerciaux et culturels entre les villages éparpillés le long des rives du Niger. Malgré l'insécurité qui sévit dans la zone, ces derniers mènent paisiblement leurs activités. Si accès sai budi busiya yan piroge do tilaberi ai gon ji waygu kin ta kyara ai wasu ni go ku kai ta kadda fare do kali hunya ai gonyo kai ta mbo bode na wallahi yo huna o iwo hudwara fisi billahi amma masala masala kiro di masala kiro di bolen gono banni sambu iskin sekine ga sin da yare har bu akin sai ginin fulani wallahi sin nuri hare wallahi borgin ka san mun ka ta yamu ma san bi lo mun kanda ne wati na kinin sai fulani wallahi man do sin badala wani wargen yoro sai ne ne ko yelo no wai guno yi bo fu kusamu bo fu mun wai taki asin hebu asin man tebu hankul sonda kine wo yelwane hu hawunya fo ne kan sonda abe 5000 bo ne kan ko non go tanda din kire wallahi wo hizunde wallahi wo nafa mi yozunde wala ay go kawre go kyuse go kan muadete ba go ne ba yoguno ay go teriyen sa mem ko faro go sonda kin de kan ay di humbo go teriyen sa mu yono albarka morano igo igo se ige palara igo tilamis Comment les piroguiers de Tilabéri mènent leurs activités en collaboration avec leurs clients Mohamed Moukela, un client, donne des précisions. ne da gari ya banda no an galir guhur hiye ra haniya irga bandal gugu alwat kan haro hurg bagumo irg bandal waiwai o won banda asganji wat kan irkote borka zama iriya iri nan charbaino an ga alwat yango kan borsinda worgur hiyora yanda borsu bana badala yo har o kadde surde o zamal wat kancin haro hurdini sand jawora wat kancin yeno gono hal haro hurgumo watoni cin ke batama ag hamburani al wat yangon ka hal bor ka haro men subor kulgar haya ag bor hamburani zamai same o kan jama sino tawar kala haro go yadin cine yeno der ramo ce kosu lalle bor borga hamburo ke alhamdulillah indi hi koyewo tal kulsir ga mora kala irgo go charbande ir mora go te Oh, Malgré leur rôle essentiel dans la vie des communautés, les piroguiers ne sont pas à l'abri des défis du monde moderne. Les changements climatiques, l'insécurité menacent leur mode de vie traditionnel tandis que le développement des infrastructures remet en question l'importance de la navigation fluviale. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rekia, je propose qu'on passe à la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Bonjour Adam. Bonjour Akia. Alors Adam, débutons cette page sport avec euh, le tournoi des grandes vacances organisé par l'association des étudiants de la commune de Gamou Gozaï, Kazoé plutôt, euh, dans la région de Zender. Oui Mira, huit clubs repartis en deux, groupes de, en deux groupes A et B vont se disputer le titre pendant trois semaines. La finale est prévue le 3 septembre 2023. Mohamed Inoussa, chargé des affaires sportives, organisateur de cette rencontre, nous explique l'évolution de ce tournoi. abu ne wanda mun saba yin shi kowace shekara muna yin shi a lokacin da aka je babban hutu muke yin shi wannan wasa to bana ma gashi nan mun yi shi to mun yi shi ne a retar a yau ne za a buɗe wannan wasa a nan sai esta birnin kazo eh akwai grup a da b ne grup ɗaya yana tare da as bijuwan yana akwai kibiya a ciki akwai fc koli akwai sansiro shi kuma grup b yana tare da fc salansa da fc maidodo da matasa da mamaki nan wi club ne muke da yanzu leken zuwa ventura za a fara wasa na horko tsakanin fc koli da as vision insha Allah yanzu ne za a fara shi a nan babban hilinmu na wasa na garin kazo, kira da wanda zan ma matasa su dai matasa su sa a kansu da wasa ne dukan mu ɗaya muke inan ayi wasa a kare lahiya shine kira na zan yi a tsakanin su Allah ba mai rabo sa'a ga watan mu sun kama mana ɗari bisa ɗari akan wannan wasa da zamu yi sai mu ce mun gode musu Allah saka da alheri final mun yi prevoir in shi leturwa September insha Allah Adam, parlons toujours des TGV, mais cette fois-ci à Oui, Rakia, c'est la fin des premiers tours et on connaît déjà les équipes qualifiées pour le huitième de finale du célèbre TGV des grandes vacances de Intela. Dans la poule A, nous avons AS Niamey 2000 et Qatar FC qui se sont qualifiés. Dans la poule B, Dollar FC et Ardan FC. Et dans la poule C, ASEC Yantela et Recasement. Dans la poule D, Jaguar FC et Tourali FC de Kwarakano. On attend à présent le programme de ces huitièmes de finale. Terminons à présent euh, avec euh, le rapport, euh, le report plutôt des matchs des clubs nigériens dans la compétition interclub africaine. Oui, suite à la situation sociopolitique que vit le Niger actuellement, l'AS Garde nationale qui devrait affronter l'AS Douane du Burkina Faso le samedi 19 août 2023 au stade général Sénécounté va finalement jouer sur terrain neutre dans la fenêtre du 25 au 27 août 2023 tandis que la douane du Niger défiera le FC Calon de la Sierra Leone dans la même période, sur terrain neutre également. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci Adam. On se dit à la prochaine. Après les sports, nous allons découvrir notre star du jour. Il s'agit de Soumana Momon né à Niamey. Son activité principale est la pêche. En même temps, il est conducteur d'une pirogue une activité qu'il a héritée de ses arrière-grands-parents. Aujourd'hui, Soumana a créé sa propre entreprise de pirogue à moteur. Depuis 24 euh, ans, il fait du tourisme maritime. Avec l'ensablement du fleuve Niger et la rareté des touristes, il n'arrive plus à faire des longs trajets. Omar Hama est parti à sa rencontre pour son portrait. abin ta temps ay wo hi fun ko mono ba ay gonna machine hi bor kang ba ngam ko gidi bangai ay kondam ko gidi bangai usman zagiri fonon na goyo wa sintin. to goyo ay mi sintin dai ga ta yi bon sai dai ga kato son a gonda jiri waran kicin taki me ay gor ay babu bande ay gor bor yam bande eto usman ay fono onin dan hi fun yongo wara to wallahi kan nay dan ara dai goyno kan ay tubu zai kaye ga iriwo zair tun iriwo sigoi fo kulbai kalahi funiyan kalsor katarai ga inga fa mandi nafakan ni du hiyo wo funiyo ngara wallahi hiyo funiyo mo wallahi alhamdulillah du nafo bobo zama ai hijara ay hayara ay murada ai gogitara halakka to honkona alhamdulillah nir koy sabu to usmani gabey goykulu sijan sendey ni hifun yongo wora kanni go tes ni begedu lahani ara wal sendey fonon go din wallahi go ay mun baygedu ara lahani tali woni me talo kan gon degiti isa kan fiji isa no da haro kogu hiyo furyango bo masalno zamani ste metr gu metri du ni mi janga karu tasi bon masala no wati din o kay isa sindi tasi amma wallahi son isa me fotasi de da man ti borgo fonde bay bono singa badiri isara bore kaniga kondeyi dirra ne sigadi mande manno niga konde wallahi so dai ay sibi sande kilo way zamza lakal tuna sintir wer morun dai amma watiri ir koy kala park w kala gaye yan kulay koy daga kwarai amma so kal lakkal kanai sino ay sibi sande kare goru o ne konde mi di bangay ir mi yegi yakka ne. to asman ni gonda ce yonkan niga te furta je se wala mate wallahi furtaje ay gonde ceyen kan ay gite ise nimma furtaje mu ka gore mine labo arzaka sara yakin sino yakin sino wallahi tari senino satta dunya me amera sande gona amma haddai bortunga kai nini ni kambu goy don don wallahi ni sijan hay kangi na almi yale ngai ni sijan hay kangi murade feri zama irko wongono go bora kul murade feri amma bor kusine gore bon irko ni ngano niga tunga kai no irko ma kamba dan sai o kan da yake kai ga boram tunga kai inga kai ga irko ma ga aksinai on kun ba boto gono ni koku ba fisino ni koku ni si hay kan ginar mi yale ngai ni si hay kan gin murada e feri amma am ka gor kam mo kolige ni ga tay ha tay mo kan ni kel fom koy goy ga ka ga de ken sen ma bonno bor karame zam zarmai no ne ne kwari zikan gungure du sadi hanni tun kai wallahi ni si hay kan gin murada e feri wallahi ka alhamdulillah Merci Omarama pour ce beau portrait. Chers auditeurs, on continue avec la playlist musicale d'aujourd'hui et ça sera avec cette chanson de Maliaro. Le titre c'est Samosihiji. en 1973 à Sirfi, Kwara Atira, ici d'une famille soraï du Niger, Abdoulaye Brema, plus connu sous le, nom de Maliaro, a passé son enfance au village à observer et à suivre le musicien de Gumbé. Il a commencé sa carrière artistique en tant que jeune joueur de Gumbé. Avant, euh, c'était avec des amis euh, qu'il a formé euh, le groupe en 1996, c'est les Gumbé Stars. Maliaro fait jaillir une âme africaine à travers sa musique. On y trouve tantôt des chants qui relatent des faits sociaux, d'amour et surtout de paix. L'originalité de ses paroles, puisées au fond de son jardin de savoir fond de l'homme, un artiste hors pair. Après plusieurs succès sur la scène nationale et internationale, Maliaro et le Gumbestar deviennent l'orchestre le plus en vogue au Niger. Après ces titres, Samira, c'est que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. Et eh oui, Rekia, ils veulent nous parler de fake news, c'est-à-dire les fausses informations qui sont véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'une victime. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur les plans judiciaires et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les fans du studio Kalongo appellent à plus de prudence dans le, dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Écoutons cette discussion que j'ai eue avec Fanta Chamsou. Hey, Rahina, ke Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya haɗu. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ya ki ga abin da aka yi komin cikin wani grup WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana na raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci ana nan. kinga mu yan adawa ne bari mu yada wannan yashe kunnan kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe, a yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don ƙarya ce don me za a yada shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki, yaɗe yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka ma'ana na'urorinka da kake amfani da su hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo. Kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni kawai in na samu masu ɗimi ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban ƙare faɗakar da ke ba akan laifufukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida da tarar da ta kama miliyon ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To sun yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke ni na ma daina amfani da WhatsApp whatsapp daga yau kuma zan cire shi daga wayata kin ga ba sai na yi ƙoƙarin aika wani abu ba <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce Aikar kar ki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan yafi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni don allah ruwa mini asiri <laughs> ka ashe wani labarin ne da bai da tushe A'a bidiyon cikon shekara ta ne. Na sani ne ni. A'a <laughs> ah, to, kin tsorata ba. Merci les filles pour vos conseils pleins d'humour. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Alassane Abdou. Aujourd'hui, avec Alassane Abdou, nous allons voir l'explication du mot frontière. Bonjour, monsieur Alassane. Bonjour euh, Samira, bonjour Rakia. Euh, nous avons choisi ce mot parce que aujourd'hui, euh, depuis les événements du 26 juillet, euh, le mot, ça arrive partout dans les On a fermé les frontières. Ah, sur telle frontière, il y a telle chose sur telle frontière. Donc, nous avons préféré aujourd'hui eh, aider nos auditeurs pour comprendre un peu ce quoi une frontière. Donc, euh, quand on prend étymologiquement, euh, le mot est, est dérivé de front avec le suffixe hier. Littéralement, c'est la partie la plus en avant, c'est-à-dire limite bordant un territoire un confin. Donc, euh, les frontières sont des discontinuités qui séparent et relient. Elles constituent euh, le périmètre de l'exercice de la souveraineté des États et l'un des éléments de l'identité des nations. La frontière internationale, comme je le dis, est la limite entre deux souverainetés étatiques, deux ordres juridiques, deux systèmes politiques, monétaires, deux histoires nationales. Elle est une discontinuité et un marqueur symbolique. Mais il faut se poser la question, quels sont les enjeux des frontières et eh oui, les frontières sont des objets matériels et symboliques qui interrogent les géographes pour leur capacité à borner, à définir, à créer des territoires. Elles relèvent également des rapports de domination, des conflits d'intérêts, mais aussi la circulation, l'ouverture et les tentatives d'unité nationale ou régionale. donc ma euh, matakir ni ci da degir bihin ko kuldu bor ko kuma dar guna fa kare kul kan tira e matno go teme ine bore go frontier bu go gori man huro a frontier flani ndabu a frontier flani yakin dakine ganir mo ne hon irim kak salam bore sik bore faman faute frontier man no san ni zo wo il faut se bore gidi dati frontier de git zaram ci sanira hirri hirro wo ka igidam mo hirri no ka irga be kan ir afrique la bera hirre wo amaniga gumo borisine kala ansar gir zambar fo du zonga hakkude sen no hirre iko kite inir afrique be fe fe fe wat watkul mo nirge hekene ka hirre o dina ni te in won wani ne gun kite aste borai se sande amma kiti nikti go na har niger nigeria hare ni kai go niger no na hasay go mali ni ba eh, ni ba kai no bor fogon sen har tribe har kambo donc ir la ni pat pat pat pat kite habun bun yam donc frontiere din ci amma ntikale hirro zerino Zerino kan bon moyo rano amma batamuno kan gono kan ga hinka batamuno gono kan hinka politik iri hinka fai batamuno kan gono kanga ga eh, har yanka charra wone labu filanno wone mo labu filanno batam wone o ki sigine hirriwo daru haddi yanka gono kan ka gananda daru ni kan na har kan ko ka yare yamu yamu kalma haddi yangana to wone kan ga la fedin labai hina da fondi mine a aiwo aine yona bata madin aina dabu bore si bisa aina feri gi bisa gi hinkuro amma har gi huro kadir hadde kirken bore mi berandi yani ga hirriwo amana tuwo hirrimo de irne sanizo bumboda zadon kam man tohon kan ina bore faman da amman tikal batma kango ya hare ya ni gani wani batma kango se ginu nango kaman tin wono ganda bore hando kanga charku bai nan kige charku bai wani se ni gine hirri tuma da lama we gonda hayan fo kai bem tan se mhm. so mu zai fa kare da kan manti im kan da fukan check san ai gine ba fo sai ni mu hirri da inda ni gamara hir ngi da no am a gine ka ni mu hirri da irgamara kati batma no ni gazeri mhm. batma kan ni gazeri ni gina se guna wanu wani man no borgo di wodin dumo nan kan haye zai ga ba windira mm. winde haye zai kan ga igina borkul denga tera so war hiro da timiro kan ga wondin kwar bor eh, wondin gorksino mm. fay ina gorksino mo man tukurni hin gani go barka mm-hmm. wanda ga man kyar batamara ni gorksino no zawar murade ge kurcharra to hiro da ti terasi zona bata miyan kigi tabo kul huwa men imirdan e ka kendi ni hirro mene wosino annasare gine mo kan ni bayo asikai kala ni hirro me boro hendo no sinti ni hirro dinga ko hirro hendo me yani mhm. ga man him ka ni man him kuhurara hurara ka no fondo mo tasi gisi bon mo zari yanda haroge ni kela do agina se bor fulan sindo fondo mi hirdandi ni gamara din ni stekar sir mo mor charnoya mhm. donc dir mor chere itir mi hirdan char gamara irsi sidi chere sidu char baru Alors, chers auditeurs, j'espère que vous aussi vous avez compris. C'était vraiment très intéressant. On va souffler un peu en musique avant de se dire au revoir. C'est avec euh, un titre du ballet traditionnel de Terra. chers auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de cette émission, le Niger sur Kalangu. On se dit à demain avec un autre Dieu, bien sûr. Sinon, sachez que c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Rekia Arimi. À l'édition, euh, l'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique Seini Isaka. À très, bientôt.